les conséquences de la drogue sont multiples. il faut les envisager sur différents aspects. D'abord, il faut distinguer les différents types de consommation qui vont déterminer les conséquences ou les complications de la consommation. Il y a d'abord euh, l'usage simple de la drogue ou l'usage occasionnel qu'on appelle aussi. L'usage simple ou l'usage occasionnel se voit sur chez les jeunes en début de consommation. Et c'est souvent des consommations festives, sporadiques, à l'occasion de rencontres entre jeunes. Et les premières conséquences de ces, usages occasionnels, c'est l'ivresse. Toutes les drogues entraînent une ivresse, une consommation occasionnelle. Et l'ivresse, quand on est ivre, euh, ça peut déboucher au coma, ça peut déboucher aux accidents de la voie publique, ça peut déboucher à la délinquance. Ça, c'est en ce qui concerne la consommation occasionnelle. Donc, il y a toujours un risque à prendre la drogue, même si c'est une fois. Après ça, il y a les usagers réguliers. on passe de l'usage occasionnel à l'usage régulier de la drogue. L'usage régulier se voit chez les personnes qui deviennent dépendantes. La régularité de la consommation va être déterminée par ce qu'on appelle la dépendance ou l'accoutumance, qui est déjà une complication de la consommation de la drogue. Qu'est-ce que c'est que la dépendance La dépendance, c'est deux choses. C'est le phénomène de tolérance qui se définit comme cette... Euh, cette euh, tendance à prendre de plus en plus des quantités de drogue plus importantes. C'est-à-dire que euh, la personne qui prend une certaine quantité Q pour avoir une ivresse I va devoir prendre quelques jours après une quantité Q multipliée par deux pour avoir la même ivresse I vous voyez que la consommation la, quantité augmente, ça veut dire que l'organisme tolère de plus en plus des grandes quantités de drogue. les, les drogues étant en général des substances toxiques, plus on en prend, plus on augmente la toxicité dans le corps, et donc les conséquences vont être sur la santé physique. Deuxième élément de la dépendance, c'est le syndrome de sevrage. En quoi, à quoi consiste le syndrome de sevrage C'est quand la personne est dépendante de la drogue, quand elle ne prend pas la drogue, elle est malade. Donc on se retrouve dans une situation qui est la suivante. La dépendance pourrait se définir comme une personne dépendante pourrait se définir comme une personne qui, quand elle prend la drogue, elle est malade. Quand elle n'en prend pas, elle est malade. C'est ça la dépendance, de façon très simple. Donc quand on est à ce stade d'usage euh, euh, euh, régulier, eh bien on est dépendant. Et en ce moment, cette dépendance va être déclinée en plusieurs conséquences. que je vais vous édicter tout à l'heure quand je vous aurai expliqué ce que c'est que l'usage néfaste. L'usage néfaste, c'est un usage qui consiste à la consommation de la drogue chez quelqu'un qui est déjà dépendant et qui a déjà des complications psychiatriques ou des complications physiques. D'accord Donc, maintenant, on va passer aux complications physiques et aux complications psychiatriques. Les complications psychiatriques, la première, je vous ai expliqué, c'est la dépendance. La seconde, c'est que la drogue peut entraîner toutes les sortes de maladies psychiatriques qui existent. La première et la plus fréquente que tous les usagers de drogue, connaissent, c'est la paranoïa. C'est cette tendance à penser que l'entourage est, un entourage persécuteur. Les drogués pensent que tout le monde leur en veut. Et, donc ça, ça témoigne d'une déformation du fonctionnement du cerveau. Ça peut entraîner la schizophrénie, ça peut entraîner la dépression, enfin toutes les sortes de maladies mentales. Sur le plan physique, ça va, les conséquences vont être en fonction du type de la substance. Quand vous prenez par exemple l'alcool, vous allez avoir des conséquences sur le foie, vous allez avoir des conséquences sur la régulation des, du sucre, vous allez avoir des conséquences sur la, le système nerveux. Quand vous prenez le cannabis, vous allez aussi avoir des conséquences je vais vous aider. Je vois que vous êtes fatigué. Quand vous allez prendre le cannabis, vous allez aussi avoir. Non, non, je vais vous aider. Vous allez avoir des conséquences sur euh, le fonctionnement du système nerveux. OK Vous allez avoir les états psychotiques aigus qui, qui sont caractérisés par un délire vous allez avoir ce qu'on appelle un syndrome motivationnel, La personne et tout le temps dans sa chambre, elle ne fait rien. Quand elle sort, c'est juste pour aller chercher la drogue et revenir. Vous allez avoir des maladies psychiatriques qui sont plus graves, telles que la schizophrénie, et qui nécessitent souvent des traitements psychiatriques lourds. Ça, c'est les conséquences sanitaires. Mais la drogue n'entraîne pas que des conséquences sanitaires. La drogue va entraîner des conséquences sociales et des conséquences euh, économiques. Les conséquences sociales, c'est que la drogue va entraîner la délinquance, elle va entraîner la désocialisation, elle va entraîner la personne à des actes criminels qui vont l'amener probablement en prison. La drogue va entraîner aussi des conséquences économiques. Les conséquences économiques vont être euh, d'abord, dans un premier temps, la personne va dépenser tout son argent Secondairement, elle va se mettre à éventuellement voler de l'argent, elle va faire de l'arnaque, et en fin de fins, elle peut déboucher sur la criminalité, celle de voler l'argent ou de tuer, même pour chercher à avoir de l'argent. Donc vous voyez, de façon résumée, il faut considérer la drogue comme, en termes de conséquences, comme euh, au niveau santé physique, santé psychologique, santé sociale et santé économique.